nous sommes réunis aujourd'hui sur des considérations sur le budget. Mais avant de conceptualiser sur cette considération-là, je voudrais qu'on contextualise, qu'on parle de l'atmosphère dans laquelle nos débats se tiennent, surtout au niveau de la Commission des finances. On a eu un brin de ça ce matin, ici au niveau de la plénière. Au niveau de la commission des finances, il y a des choses inacceptables qui sont passées. On a connu cela ce matin. Et quand je vois ce que regorge la commission des finances, de compétences, de talents, de gens d'expérience sur le terrain, amna ñu taxaw eh, Et moi, j'apprends beaucoup dans les commissions des finances. J'apprends beaucoup de gens qui ne sont pas du même bord politique. J'apprends beaucoup de Chersek, j'apprends beaucoup de Ibelo, euh, j'apprends beaucoup de Papsania, ah, qui ont une expérience sur le terrain. Beaucoup de Chabambédié, beaucoup euh, de Mamoudou Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de mettre tout ça en musique, nous réunir autour d'une table et discuter des problèmes de notre pays mais au lieu de ça, on s'engage dans des injures et ce matin, heureusement que calmé là. Mais commencez une séance pour payer tout le monde. Ça a commencé. Ah. Mais sans venant ici, à l'Assemblée nationale, M. le Président, en 2012, que j'ai perdu mon coefficient d'indignation en matière d'insulte. Ça a été amna lu bare lu fi xew wax naa mais saga yima deg fi ay nit ñu nga xamni amna ñu ay sët ñukay koy enregistré di ko filmer directement seen ay sët di ko gis sen ay dom di ko gis à partir de quelle éthique ces enfants là vont être éduqués te yalla dafa wax ni saga mom san la boo xam ne day dem rek di dellu si yàlla dafa wax ni la tos bu illa alladhina yad'una min dunillahi ñi nga xamni ni gëmunu ma bu leen leen saaga ndax su ngeen leen saga ñu fayu te suñu fayoo man la ñu saga waye suñ ma saga saga ma yéen ñi leen saaga yéen a ma saga fii ku nu saaga kilifaam rek du ñi ñekk saga yow mi nga xamni ya yaa fekk nga xamni ki def lo dara da nga saga donc je voudrais inviter l'ensemble des camarades qui sont ici de nous pencher sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire, à l'installe de Maradona, Maradona est parti, mais il fait l'unité nationale. Et tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Mais il que argentin soit xaré à chaque fois que nous avons ka nous mu génn fa. Ñun amna fo de fi problème Nous Sénégal yi di xaré. Na ñu fexé ba fofu ñu ñuy xaré, au lieu un saganté, ñu fexé ba Nous fofu, fofu la ñuy fonké, fofu et je voudrais simplement, je peux citer l'exemple de Joe Biden. Joe Biden était au Sénat pendant 47 ans. Il avait pu euh, euh, établir une parcelle entre les démocrates et les républicains. À chaque fois qu'il y avait conflit, c'est lui qui venait pour les régler. La même chose pour Angela Merkel. Angela Merkel, du ce pays, l'Allemagne, un grand pays depuis 15 ans. Et à chaque fois, il a mis en, place un gouvernement d'union nationale, où il y a à la fois les conservateurs et les socialistes, les sociodémocrates, en le disant, nous beaucoup réunis. Non, nous nous Mais pourquoi ici, dans cette Assemblée nationale, nous ne pouvons pas faire la même chose